Cette maladie a un impact euh, évident euh, dans le secteur des transports routiers, euh, secteur qui a été fortement affecté par d'abord l'arrêt du transport interurbain, l'arrêt du transport de passagers, transport international de passagers, avec ses conséquences, la fermeture des gares interurbaines, mais aussi dans le segment du transport urbain, euh, la maladie a eu comme conséquence euh, des mesures de restriction dans l'exploitation euh, par la réduction des nombres de places autorisées qui sont maintenant à la moitié et ce qui fait que ce segment déjà du transport urbain qui est un segment qui était structurellement déficitaire a connu un approfondissement de ce déficit, donc une absence de rentabilité qui fait qu'aujourd'hui, euh, en dépit du fait qu'ils sont obligés euh, de maintenir les services publics opérationnels et fonctionnels, ils euh, accusent des charges fixes qui sont extrêmement importantes. C'est pour cette raison que le président de la République, sensible à cette situation, a mis en place un fonds de 100 milliards qui est affecté aux services de transport transport urbain, interurbain, transport euh, aérien euh, et aux autres entreprises qui sont dans le secteur touristique de manière générale. Euh, en ce qui concerne le transport routier, une enveloppe de 5 milliards 250 millions a été attribuée aux entreprises, aux opérateurs, mais aussi aux, aux gares routières qui sont impactées par la maladie. Euh, nous étions ici dans le cadre de cette réunion, d'abord pour rappeler euh, la nécessité de respecter les mesures qui ont été prises, de veiller à ce que l'exploitation du transport public soit conforme aux mesures administratives qui ont été arrêtées, de veiller au respect de la législation, mais aussi de veiller au respect des prescriptions sanitaires qui sont ordonnées par le ministère en charge euh, de la santé et de l'action sociale. Sur le segment du transport interurbain, une enveloppe de 450 millions de francs CFA par mois leur a été réservée, 400 millions pour les opérateurs et 50 euh, millions pour les gares. Sur le secteur du transport euh, urbain, nous avons deux grands opérateurs, euh, notamment l'AFTU et Dakar Demdik, qui bénéficient d'un appui respectivement de 500 millions par mois et de 600 millions. Donc AFTU aura 500 millions, euh, soit 1 milliard 500 millions pour les trois mois, Dakar 600 millions, les taxis 100 millions, euh, les et Carapid 100 millions. Ce qui fait un total mensuel de 1 milliard 750 millions qui seront ainsi répartis. Maintenant, euh, les acteurs, pour chaque segment, se retrouveront les taxis pour voir sont, quelle est la Euh, meilleure clé de répartition. Ce sera ainsi aussi pour les Ndiagandiaye pour le transport euh, interurbain. waaw léegi dañ koy rafetlu ah di leen sant di leen gërëm ndax as ne as gor aw ma mosuma lay wax mais bu fekkente ne li ñuy séddale bàyyi nañ ci xel te ñëpp lañ yemale ñëpp acteurs yëpp nga toog déggandoo ko dañ ci rafetlu di sant borom réew mi di sant waa réew mi ndax kenn ku ci ne fi ñu toll ku yooxu rek da ñàkk jom ndax lépp fépp la méttee. ku nee ngi jooy nag mu ndimbal yéen bu ñu fekkente nag yow xam nañ ne yow yow la gën a metti ci yow bu ñu teel laa wax ne la daañ la jàppale lii ah lu mu tub tub dañ koy sant yàlla di leen gërëm di sant